nous devons toujours témoigner notre gratitude. Notre gratitude à toute cette énergie qui a été mobilisée, développée par le peuple du Niani pour permettre à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, d'avoir une majorité écrasante dans le département de Kumpentum. Je voudrais à cette occasion lui exprimer mes remerciements, lui exprimer ma gratitude et lui réitérer ma loyauté, mon engagement. En ce qui me concerne, je peux dire ici que nous ne ménagerons aucun effort pour accomplir cette mission qu'il nous a confiée, qui est le développement local nous avons eu la chance d'avoir un homme, un leader, un visionnaire qui a compris le sens de la politique, c'est être au service des populations. Je veux nommer monsieur le ministre Sidiki Kaba. buñ Koupantoum doomu Koupantoum vous agence développement local président Macky Sall yëkkati commune yi Ibrahima Ndiaye mu ngi koy wax léegi léegi honorable député cinq cent et quelque nga yokk ci département yi mu nekk six cent collectivité locale ku ci nekk am nga yaakaar sa dëkk pour mu dem ci kanam ci man ngay ñëw donc loolu dafa nekk lu rëy loolu na waa Koupantoum na waa Kouthiaba xam ne seen tur ma ngi ca kaw li des mooy ñu fay ko ngor li des mooy ñu nekk benn nekk benn mooy ñu xam li ñu la pour ma part je tends la main à tout le monde je tends la main à tous les responsables politiques du département et de la région en particulier mes collègues maires j'ai envie de dire soyons sur les chemins de l'essentiel comme le président Macky Sall le veut être sur les chemins de l'essentiel c'est de travailler nuit et jour pour faire en sorte que le Sénégal puisse devenir un pays émergent. Les de l'essentiel, c'est quoi C'est de voir le futur du Sénégal. Quel est le dirigeant que nous devons avoir pour le futur du Sénégal Nous avons besoin d'un président expérimenté. Nous avons besoin d'un candidat expérimenté. Nous avons besoin d'un candidat qui a les épaules qui sont taillées pour supporter le Sénégal et le futur du Sénégal. Nous faisons le choix, nous faisons le pari de la sagesse, de l'expérience. Nous ne choisissons pas, nous refusons de choisir l'aventure. Nous refusons de choisir l'indiscipline. Parce qu'un pays, pour le construire, il faut respecter les anciens le legs des anciens. Le Sénégal est un pays où nous vivons en parfaite harmonie. Il faut que nous respections les institutions, la sacralité des institutions. Ah Quand vous êtes un leader politique, vous envisagez, vous espérez, vous souhaitez diriger un pays et que vous voulez casser les institutions, les infrastructures, symboliquement. Mais demain, quand vous arriverez au pouvoir, vous allez encore consacrer autant de temps, autant d'énergie pour reconstruire ce que vous avez cassé. Nous, nous disons au président de la République, nous vous écoutons, nous vous attendons. Dangay wax ñu li nga bëgg